Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la commémoration du 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger d'Ifaingla. Une fête tournante qui permet aux autorités nigériennes depuis quelques années de mettre en œuvre un programme de modernisation des chefs-lieux des régions du Niger. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la fermeture de plusieurs établissements scolaires de la région de Tilaberi, en proie à une insécurité grandissante depuis quelques années. Selon un communiqué du système humanitaire des Nations Unies, au chat la persistance des éléments présumés de groupes armés non étatiques opérant à l'ouest de Tilaberi a provoqué d'importants mouvements des populations et le décrochage scolaire de nombreux élèves obligés de fuir leur village avec leurs parents. Sur les 13 départements de la région, 8 sont directement impactés. Il s'agit d'Abala, Ayuru, Goté, Tilaberi, Sai, Walam, Tera et Torodi. Et nous parlerons aussi de la mort du chef du groupe de l'État islamique au Grand Sahara, Soumana Aboura, C'est suite à une opération conduite par les forces françaises de l'opération Barkhane le 20 décembre dernier. Après l'avoir localisé dans une zone sanctuaire de l'EIGS au nord de la ville de Tilaberi, elle a été neutralisée par une frappe aérienne. L'annonce a été faite à travers un communiqué de presse de l'état-major de l'armée française. L'actualité, c'est aussi le point de presse animé par le secrétaire général du ministère de la Santé de la Population et des Affaires sociales relativement à la suspension de la gratuité aux accouchements assistés dans les régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa et Zender. Il s'agit en effet d'un projet d'appui à la population et à la santé pour faciliter l'accès aux services de santé aux femmes enceintes avec des bons d'accouchement dans ces régions. Dans le cadre de ce projet, la Banque mondiale a pris en charge le financement jusqu'au 31 décembre 2021. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Sidikou Ousmane, journaliste freelance. Bonsoir Sidikou. Bonsoir madame. Maimouna Gado, journaliste freelance. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. Et Ousseini Issa, journaliste freelance également. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. À la présentation, je suis Fatiza Kari. Comme annoncé en début de ce forum de la presse, la région de Difa a accueilli les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la fête tournante du 18 décembre à Difa Ingla. Cette journée est une occasion de faire connaître et valoriser toutes les potentialités économiques, culturelles, artistiques et touristiques de la région. Je commence par Hussein Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la sécurité est revenue dans la région de Difa? Non, je ne pense pas. Je pense pas. La sécurité est loin tes revenus. parce que je crois que pendant même la période, il y a eu une attaque ou quelque chose comme ça, où un véhicule de l'armée est tombé dans une embuscade vers Gachagar, n'est-ce pas mhm. Ça veut dire que bon, il y a une période de la d'accalmie qui est là, mais ça ne va pas dire que la paix est totalement rétablie dans la région de Difa. Bien évidemment, comme on le sait, c'est une fête qui devait, en tout cas, Ingla là, devait se faire depuis l'année dernière, n'est-ce pas Mais à cause justement, peut-être quelque part de l'insécurité, ils ont décidé de sursoir à ça. Bon, il fallait quand même faire pour boucler la boucle, parce que c'est DIFA qui est venu boucler la boucle. On dit, bon, c'est pour moderniser les villes, les capitales les régionales. En soi, c'est une bonne chose, mais quand on voit un peu les infrastructures, parce que moi, j'ai eu l'habitude j'ai eu l'occasion de voir certaines infrastructures qui ont été réalisées à grand frais. Au bout d'un an, pratiquement, on a comme l'impression que c'est des bulldozers qui sont venus tout saccager, les voies, les infrastructures comme les stades, les... il n'y a pratiquement rien du tout. Et moi, j'ai dit quelque part que, bon, c'est un peu du populisme qu'on est en train de faire dans cette affaire-là. On n'a pas besoin de faire du tapage pour moderniser les villes et tout. Ça ne sert à rien d'investir des milliards alors qu'il y a des problèmes plus urgent. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à, des problèmes liés à l'école, n'est-ce pas Cette question sécuritaire qu'on n'arrive pas à juguler. Mhm. Et quand on voit, on prend de l'argent, des quantités de sommes importantes d'argent pour investir. Et quand on fait des investissements qui ne tiennent pas la route, je me pose bien de questions. Quelque part, est-ce que ce n'est pas juste prendre enrichir la clientèle politique du régime, je veux dire certains commerçants, opérateurs économiques qui interviennent dans la réalisation des infrastructures. Ça m'a tout l'air, parce que mhm. quand on finit, on a vu, quand on doit faire le parallèle ou la comparaison, on sait que Kunche, au moment où le festival était là, ce qu'on a pu réaliser, c'est des infrastructures qui ont résisté au temps. Aujourd'hui, c'est des infrastructures, <laughs> je, le dis, c'est des infrastructures qui tiennent à peine dès que la fête finit. je vis à Zender, les villas, euh, les ressemblent à du n'importe quoi. J'ai vu les voies qui ont été réalisées à Tilaveri. Tout est parti, comment dirais-je, en lambeaux. Quand il pleut, c'est des, comme avait dit, c'est des mares qu'on retrouve sur les voies, tout ça. On se pose bien des questions. On fait une infrastructure, une route, ça doit pouvoir tenir au moins 10 ans minimum. 10 mhm. ans. Mais quand c'est au bout d'une année, deux ans, moi, je ne vois pas, je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, avec la célébration de la proclamation de la République dans la région de Difaïs, qu'on peut dire que la sécurité est revenue dans cette région. Euh, Fatih, je rejoins ce que vient de dire euh, Ousseini. Euh, on ne peut pas dire que la sécurité est revenue. C'est pas parce que, en fait, on a eu la possibilité de faire cette fête mhm. au niveau de DIFA. Bien avant la fête, il y a eu toujours donc des attaques, bien que peut-être les attaques ont été toujours voilées. Et au même moment où se déroulaient les festivités, il y avait également eu une attaque là-bas, dans une ville de, oui, de kilomètres de DIFA. Donc c'est pour pour dire que la sécurité n'est pas encore établie au niveau de DIFA. Il ne faut pas que les gens euh, pensent qu'avec les festivités, comme ça s'est bien déroulé, c'est parce que tout simplement, il y avait la sécurité mhm. tout autour de, la ville de Difa. Mhm, il fallait sécuriser parce que c'est des personnalités aujourd'hui qui se sont transportées, y compris le président de la République. Mhm. Donc, il faut assurer la sécurité, renforcer la sécurité au niveau de, la ville de Difa pour que les manifestations entrant dans le cadre donc, du 18 décembre puissent bien se dérouler. Donc, euh, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire concernant la sécurité, justement. C'est une accalmie que nous sommes en train de vivre. Mhm. Et espérons que cette accalmie, ça va se prolonger. Les attaques ne vont pas recommencer tout de suite parce qu'on a comme l'impression, comme je l'ai toujours dit, que nos militaires, les forces de défense et de sécurité qui sont dans la zone de, Tilab et la zone de Difa maîtrisent mieux le terrain que ceux qui sont aujourd'hui au niveau de Tilaberi mhm, et mhm, qui sont en proie à l'insécurité totale au niveau donc, de du coup, Ousmane, la ville de Difa a bénéficié de plusieurs infrastructures euh, le président de la République a saisi l'occasion pour baptiser des voix au nom de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, et le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari. Il a aussi inauguré euh, l'aéroport de Difa, dénommé aéroport Tanja Mamadou. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de la célébration de cette fête nationale de 18 décembre euh, Merci bien, madame. Euh, de prime abord, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse à nos forces de défense et sécurité tombé sur le champ d'honneur suite aux deux attaques, notamment vers Makolondi et Agadez, paix à leurs âmes, euh, prompt rétablissement aux blessés. Donc, euh, pour revenir à votre question, il ne faudrait pas effectivement qu'on puisse corréler la bonne organisation de cette activité tournante du 18 décembre mhm. à un retour définitif euh, de la paix dans cette région euh, de Difa. Revenons-en à votre question. la particularité, au passage, franchement, les raisons premières quant à l'organisation de cette fête tournante-là, c'est vraiment bien de doter les régions en infrastructure et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Si on s'en tient à ça, je me dis que c'est bien. Mhm. Bien, tu aussi d'accord avec Ousseini qu'on n'ait pas besoin d'une fête pour pouvoir doter des régions en infrastructure. Mhm. Ça, c'est un. De deux, si tant est que l'organisation profite véritablement aux régions, sans qu'il y ait euh, des détournements ou bien des, tout ce qu'il y a comme malversation, euh, là, je me dis que c'est dommage. Tout même, il faut franchement euh, saluer la bonne organisation des activités commémoratives de cette fête tournante et euh, du 18 décembre à Difa. Il faut remercier les organisateurs. Le caractère, on a vu euh, en marge des activités commémoratives, des conférences, des forums centrés sur la paix. Vraiment, c'est ce caractère-là mhm. qu'il faille saluer. C'est une bonne chose. Mhm. C'est une bonne chose. mais comme diraient nos amis de l'autre côté, c'est bien, mais c'est pas encore arrivé. Mhm. Moi, il faudrait que effectivement qu'à l'issue de chaque édition qu'on crée le cadre pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, bien que DIFA à constitué la boucle pour corriger ce qu'il y a lieu euh, de faire à l'avenir. Mais dommage ce à quoi nous sommes en train d'assister, Hussein l'a tantôt bien dit, c'est des infrastructures conçues à très grands frais, mais dont euh, aussitôt euh, la page tournée, elle s'écroule comme des châteaux de cartes. Moi, je pense que c'est des frais, des grands frais qui sont injectés dans ces infrastructures. Il faudrait qu'il y ait un suivi, il faudrait qu'on mette du sérieux pour que véritablement les régions puissent véritablement bénéficier de ces infrastructures. Donc euh, voilà ce que j'ai à dire par rapport à votre question, madame. Mais que doivent faire aujourd'hui les autorités locales pour assurer un bon entretien de ces joyaux un bon entretien, c'est le suivi. Mhm. On a comme l'impression que euh, on construit des routes, on fait des infrastructures, mais au finish, c'est juste pour montrer que cette région a été dotée donc d'infrastructures. Maintenant, il n'y a plus le suivi. Nous avons vu ce qui s'est passé à Tilaberi, nous avons vu ce qui s'est passé à Maradikolia, nous avons vu à peu près partout, Sosoga, où on ne parle plus d'infrastructures depuis que les fêtes tournantes ont fini de ce côté. Mhm. Personne n'est reparti pour pouvoir regarder même le, le comité, au moins le président du comité devrait mhm. de temps à autre essayer de regarder, essayer d'aller dans cette euh, région pour euh, pouvoir regarder est-ce que les infrastructures là, est-ce que ils sont les populations bénéficiaires donc de ces infrastructures sont en train de sauvegarder ces infrastructures. Sensibiliser ces populations mm-hmm. pour leur dire que ça vous appartient, ça n'appartient pas à X ou à Y, mais c'est dans votre propre intérêt. Mm-hmm. Donc, essayez avec modestie avec, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, leur dire quand même de prendre soin de ces infrastructures-là. Aujourd'hui, c'est des, coûts de centaines de millions qui ont été injectés dans la ville de, euh, la région de Tifa pour pouvoir euh, vraiment donner une apparence, une apparence de beauté à, à, cette région. Bon, les infrastructures comme le stade, comme euh, les villas présidentielles, euh, nous avons vu euh, l'aéroport. Mm. C'est vraiment des choses vraiment qu'il faut prendre soin de ça parce mm-hmm. que c'est ça en fait qui fait une référence aussi, pour cette région. Donc on n'aura plus à dire que Difa a été abandonné, il n'y a pas d'infrastructure, les jeunes ne se sentiront pas très bien, il n'y a pas manque de, de, stade et autre chose Mais maintenant avec tous ces acquis là, mm-hmm. le mieux c'est vraiment que ces populations populations disent que ça va mettre beaucoup de temps pour qu'on revienne encore dans cette région pour pouvoir célébrer encore 18 décembre. Donc, parce que s'il faut attendre le 18 décembre pour doter une région de toutes ces infrastructures-là, je pense que vraiment, ça vaut la peine euh, de sauvegarder ça toujours dans le cadre de la célébration du 18 décembre, des rencontres présidées par le chef de l'État Bazou Mohamed étaient organisées en vue de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Pensez-vous euh, que ces réunions contribueront à installer définitivement la paix dans cette localité du pays euh, Fatih, nous, nous sommes spécialistes en réunion, machin, forum, tout ça. Non, il faut faire du concret. Juste que des gens viennent pour exposer des problèmes que tout le monde connaît. Le problème qui se pose, c'est la solution. N'est-ce pas Pas le discours. Il y a eu beaucoup de discours autour de ça. C'est comme un peu les rencontres des présidents de G5 Sahel. Ça a changé quoi Concrètement, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir contrer de manière durable. Mhm. Parce que ces gens-là sont sur des territoires qui sont connus. Au lieu de venir se trouver chaque fois en train de discuter, moi, je suis fatigué avec ces discours, ces machins, ces forums, machins sur la paix et la sécurité. C'est quoi qui amène la frustration C'est ce qu'on est en train de voir. Mhm. Le conflit intercommunautaire, c'est quand les gens sont abandonnés à leur sort. On vient, on vole du bétail. On... Ça pose quoi comme problème Ça crée une situation de méfiance vis-à-vis de l'autre. Mhm. N'est-ce pas Et ce n'est pas en discours qu'on peut régler ça. Ça en les conditions pour que les populations puissent vivre dans leur terroir de manière paisible. Parce que tout le monde sait que on dit oh, il y a des complicités, ceci, cela. Mais non, il faut créer les conditions pour que ces complicités-là soient démantelées et puis mettre les gens en sécurité de manière durable. Mais c'est le discours, faut euh, euh, vivre en paix. Mais quand tu te réveilles le matin, tu vas dormir, tu ne sais même pas si avant le matin, tu ne vas pas être mm-hmm. attaqué. Les gens sont dans cette situation, dans ces zones-là. C'est bien beau de euh, réunir des gens pour dire c'est des experts et tout et tout. Ça ne change rien, absolument rien du tout. Oui, madame. Euh, donc, euh, franchement, je serais d'avis avec euh, C'est bien beau de discourir, c'est bien beau d'afficher tellement de volonté, mais à un moment donné, mm-hmm. il faudrait que l'on fasse du concret, des propos, des discours. Il faut que cela se matérialise, mm-hmm. surtout quand il y a ce sentiment, non seulement il y a cette psychose généralisée au sein des communautés, mhm. il y a ce climat de méfiance-là, il y a ce déficit, pour ne pas dire ce manque de collaboration qui est si crucial et important en ce moment, dans, surtout dans ce contexte mhm. d'insécurité, qu'il qui a un manque, un déficit de collaboration entre les FDS, les communautés et les autorités. Moi, je pense qu'il euh, il y a lieu de se poser plusieurs questions. Il faut rectifier le tir s'il y a lieu de le rectifier, puisque euh, franchement, il y a une urgence qui est là. Aujourd'hui, euh, franchement, quand vous partez dans des zones connu jadis des endroits paisibles. Aujourd'hui, euh, même votre voisin de plusieurs décennies, euh, il y a une certaine méfiance et du coup, euh, le, la, cohésion sociale est, impacté impactée. Quand aujourd'hui, vous n'avez confiance à personne, même au sein de votre entité familiale, ce que veut dire, c'est grave. Donc, il faudrait que, franchement, trop de discours, il faudrait qu'on en a assisté. Maintenant, mhm. passons, comme dirait l'autre, aux choses sérieuses. Il faut matérialiser dans les faits mhm. en prenant les dispositions qui s'imposent pour sécuriser aussi bien ces communautés que que bien bien en vue d'une préservation de notre intégrité territoriale qui est mise à mal. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Dans un communiqué rendu public le 20 décembre 2021 par le Bureau de coordination des actions humanitaires des Nations Unies, plus de 53 000 élèves sont affectés par l'insécurité dans les départements d'Abala, Ayoru, Gauthier, Tilaberi, Walam, Torodi, Tira, de la région de Tilaberi. Sécurité est la raison principale euh, du décrochage scolaire de ces jeunes de la région du fleuve. Les autorités estiment à 579 euh, le nombre d'écoles fermées à la fin de l'année 2020-2021 sur les 2247 écoles que compte la région soit 23,66%. Euh, dans les endroits où les écoles sont euh, fonctionnelles, les effectifs restent toutefois pléthoriques et ces écoles sont dans l'incapacité d'accueillir de nouveaux élèves pour assurer la continuité pédagogique, souligne donc euh, ce même rapport. Alors, Maimoun Diado, quelles conséquences cette situation peut avoir sur le système éducatif nigérien Les conséquences que ça peut avoir sur le système éducatif nigérien, venez de le dire. Déjà, une région où les élèves n'ont pas la possibilité, en tout cas tous les élèves n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, c'est le banditisme d'abord, l'enrôlement de ces jeunes-là au profit donc euh, des groupes djihadistes. Et ensuite, ce qui est encore plus grave, c'est que ces, ces, ces enfants, en fait, on n'arrive pas à trouver une alternative pour au moins créer les conditions pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Mhm. Vous avez dit tout à l'heure dans votre euh, le papier qu'il y a des classes pléthoriques. Mais les classes pléthoriques, si déjà vous savez qu'il y a la sécurité là où ces élèves sont, alors essayez de diviser ou essayez de trouver un mécanisme pour qu'il n'y ait pas de classes pléthoriques. Mhm. C'est aussi simple. Moi, je me dis. Et puis, c'est, il faut dire, hein, il faut même pas citer ces zones-là qui sont affectées par le manque d'école C'est toute la région de Tillabéri il faut, le, il faut souligner. Les départements de Tillabéri là, ils sont, tous ces départements sont affectés par le manque, en tout cas, euh, euh, de, de, d'écoles. Hum. Ces jeunes-là, ça dure. C'est depuis 2019, courant, 2017. courant 2017. Hussein. 2017 à aujourd'hui, on ne peut pas prendre de 2020 à 2021 pour dire voilà les écoles qui sont fermées. Mhm. Il y a eu des écoles qui ont été fermées en amont ou qui ont complètement disparu ou des villages qui ont été abandonnés complètement. Et ces enfants-là, quand on regarde de 2017, si l'enfant est en classe de CM2, aujourd'hui, il va se retrouver avec quel âge Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un jeune homme, c'est un gaillard que nous avons. Et c'est un gaillard qui n'est pas parti à l'école et aujourd'hui qui cherche le gain facile, c'est-à-dire l'enrôlement. C'est ça qui est en, tout cas très grave pour ces enfants-là. C'est l'enrôlement de ces jeunes au profit des djihadistes. Parce qu'on a comme l'impression que les terroristes prennent plus ces jeunes-là pour pouvoir les former. Et ce sont ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en train d'être les complices mhm. dans certains villages, dans leur propre village c'est des complices aujourd'hui. Et quand on regarde la dernière fois, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, on a montré quand même la carte d'identité d'un jeune de l'université ou je ne sais pas quoi là. Mais regarde, qui fait partie de cette zone, de cette région, mais qui s'est retrouvé avec les djihadistes. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'école. Donc les enfants, aujourd'hui, les parents ne vivent que de ces enfants-là. Mm-hmm. Ce sont ces, ces jeunes-là sont obligés des fois d'être enrôlés pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs parents et en devenant des complices. Donc c'est très important, il faut que l'État nigérien songe à trouver des alternatives mhm. pour sauver ses enfants. Au moins sauver ceux qui peuvent être sauvés mhm. encore. Nissa, quelle autre conséquence cette situation d'insécurité peut avoir sur le système éducatif Le système éducatif est déjà à terre, n'est-ce pas Parce que partout, il n'y a plus d'école, mm. on ne pas parle plus du système éducatif. Mm-hmm. Vous venez de dire plus de 500 et quelques écoles qui sont fermées. tout le monde connaît, on connaît les statistiques et tout et tout. On fait quoi quand une école est agressée Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat là Rien. On se contente simplement de constater. Mais les enfants sont dans la nature. Mhm. Ah ben, quand l'enfant va grandir, il est là, il erre. Qu'est-ce qu'il va devenir Un beau jour, s'il trouve un créneau, Il devient une prof mhm. facile. Mais il va devenir quoi Ou il va descendre en ville, c'est la délinquance, ou le banditisme et tout et tout. Surtout quand il va voir des jeunes de son âge, ils ont pu gagner de l'argent pour réaliser des choses. Ils seront tentés par ce, ce, phénomène-là et c'est extrêmement grave. Et c'est comme je viens de dire tout à l'heure, mm-hmm. c'est qu'on a l'impression qu'on se contente des constats. tout le monde va venir, tout le monde est en train de constater les choses sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que le gouvernement propose concrètement pour pouvoir au moins créer les conditions pour que les, zones où il y a encore l'école, on parle des classes pléthoriques, mhm. mais c'est ceux qui ont la chance encore d'aller se faire inscrire au niveau des... Mais toute l'autre masse, la masse euh, critique là, 53 000 et quelques, comme avait dit, enfants. Même les, enseignants. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir Oui, les enseignants. Les enseignants, mm. bon, il dit, mais bon, <laughs> le chef-lieu, il va, il s'installe là-bas. Il n'a pas de poste d'affectation, de nouveau poste d'affectation. Il attend tranquillement la fin du mois. Il va hmm. prendre parce qu'on ne va pas lui couper son salaire. Ça n'affecte pas trop les enseignants, ça affecte surtout les élèves. Mhm. C'est ça, c'est ça l'enjeu. aujourd'hui, on est en train de pénaliser, on est en train de faire du tort. Ils n'ont jamais demandé cette insécurité-là. Ces populations comme les enfants mhm. de ces familles, de ces ménages-là, ils n'ont jamais demandé. C'est un fait. Quand un fait est là, l'État doit pouvoir créer les conditions. Parce qu'à chaque fois qu'ils attaquent une localité, on apprend qu'ils ont brûlé l'école. Ils ont brûlé la carte de santé. Mais ensuite, on ne dit pas, est-ce qu'on a pris des mesures pour que, dans l'immédiat, mhm. que ces enfants ne puissent pas... Rester dans la nature. Errer dans la nature. C'est ça l'enjeu, c'est ça véritablement l'enjeu. Ce n'est mm. pas les constats, les statistiques. <laughs> ça, ne fait qu'augmenter. C'est euh, selon le plan de transition du secteur de l'éducation, au total, 2 634 271 enfants et adolescents sont hors de l'école. Alors, euh, que faut-il faire pour pallier à cette situation pour sauver le secteur <laughs> éducatif Merci, madame. Donc, euh, de statistiques en, en statistiques, ça on n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal. Déjà, c'est une zone affectée par mm. l'insécurité. Donc, euh, au même titre que les autres secteurs sociaux de base, l'école, l'éducation en paie un lourd tribut. Et conséquemment, les élèves, et Maïmouna, je dirais même les enseignants, parce mm. qu'un enseignant qui se retrouve euh, sans rien faire, il devient oisif. Euh, de cette lui aussi, s'il ne pourrait pas être en, enrôlé, hein, vu la précarité, l'extrême précarité dont il fait l'objet. Moi, je me dis que concrètement, il faudrait que l'on prenne des dispositions et pas n'importe quelle disposition. Mm. Hussein l'a si bien dit, il n'y a pas de jour qui passe sans qu'on ait l'information, soit une case de santé, soit une école, mm. lors de leurs assauts euh, qui n'ait été brûlée. Maintenant, après coup, qu'est-ce qui est, pris comme solution concrète pour ne pas vraiment qu'il y ait ce sentiment, euh, un vide que ce soit, soit un une case de santé ou bien l'école. Aujourd'hui, euh, ces élèves-là qui, qui, décrochent, déjà, euh, la situation sécuritaire est telle que même s'ils n'ont pas décroché, nous assistons à ce phénomène de classe non seulement pléthorique, mais aussi les infrastructures qui ne sont pas du tout adaptées. Maintenant, ils suivent le mouvement, ils viennent dans une localité précise, déjà ils vont trouver euh, un nombre assez pléthorique. Maintenant, comment euh, leur euh, localité d'accueil ou bien les responsables de leur localité d'accueil vont-ils s'y prendre pour ne serait-ce que euh, revenir à l'autre ancien système de double flux ou quoi, pour que ces enfants-là qui errent parce qu'aujourd'hui, euh, quoi qu'on dise, c'est vraiment un terreau fertile pour l'autre groupe. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui a un certain âge, euh, il est là, il erre, il devient une proie facile. et surtout mhm. que euh, vraiment, il voit, il est tenté. Vous savez, ces individus sans foi ni loi là, ils sont assez psychologues. Ils savent comme, sur quoi tabler pour facilement enrôler ces enfants. Moi, je me dis que on n'est plus au stade de tel nombre, tel nombre, tel nombre. Les statistiques tout le monde, je l'ai dit, mhm. là-dessus, on n'a pas besoin d'une poule de cristal pour avoir l'exactitude de ces statistiques-là, le nombre exact mhm. Maintenant, c'est de prendre les, solutions qui de prendre les dispositions pour permettre à ces enfants qui ont décroché, euh, à ceux déjà qu'ils trouvent dans des situations assez euh, délicates, voir euh, comment s'y prendre euh, pour que effectivement ils soient occupés et pour qu'ils ne soient pas, ou qu'ils ne continuent pas à être ces profs faciles pour ces individus sans foi ni loi. Mais Diado, vous avez d'autres propositions pour pallier à cette situation Mais, ça, rejoint ce que vous venez de mm-hmm. dire c'est à peu près la même chose. C'est ce que nous décrions depuis euh, le début donc, de cette insécurité au niveau euh, de la région de Tilaberi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de solution dégagée. Mm-hmm. Maintenant, il faut essayer de solutionner cette situation parce que les statistiques comme l'a dit Sidikou, tout le monde connaît les statistiques. On n'a pas besoin de venir euh, prendre peut-être des spécialistes pour nous dire voilà, voilà, voilà. Non, tout le monde connaît que la région de Tilaberi est affectée par l'insécurité. Maintenant, que ça touche les élèves, que ça touche les enseignants, que ça touche également ceux qui sont les infirmiers qui sont de l'autre côté. On parle plutôt ici d'éducation. Donc la seule solution, c'est vraiment euh, de faire en sorte que l'État essaie de mettre les moyens à la disposition de cette région qui, dans les différents départements qui peuvent accueillir encore ces jeunes, mhm. de vraiment les accueillir parce que ça ne sert à rien de laisser ces jeunes dans la nature, errer dans la nature. Ces jeunes n'ont pas demandé à être des victimes. C'est la nature, c'est Dieu qui a amené cette situation. Mm-hmm. Donc, allons, faites ensemble, regardons si c'est ces jeunes qui se déplacent, même si Niamey peut les accueillir, pourquoi pas C'est des mhm. écoles quand même, c'est des niveaux, c'est des classes. Il faut essayer de voir quelles sont les régions aujourd'hui qui peuvent accueillir également ces enfants. Ce n'est pas uniquement la région de Tilaberi aujourd'hui où ces enfants peuvent étudier dans la région de Tilaberi. Il y a quand même des régions qui nous entourent. Pourquoi ne pas faire cette proposition et les amener ailleurs C'est mieux. Que vous, vous semblez oublier. Quand ça a commencé, les attaques contre les écoles, c'est dans des villages isolés. Maintenant, l'État est en train de serrer, serrer même sur les grosses centres urbains comme des zones Makolondi, Saï, où on considère que c'est une grosse mhm. agglomération. Ça veut dire que ça ne concerne plus uniquement les enfants des, mhm. des, des zones reculées. Trouver des solutions, on les met, ceux qui peuvent venir par exemple par Terra, ils vont trouver peut-être. Mais il y a l'autre difficulté qui est là, la nourriture. La prise de ces enfants, ce n'est pas seulement l'éducation, il faut bien qu'ils mangent pour pouvoir aller à mm-hmm. l'école. C'est pour ça que j'ai d'accord avec Mouna. il faut mettre les moyens et mm-hmm. créer les conditions pour que la sécurité revienne de manière durable. Mm-hmm. C'est tout. On ne peut pas que la sécurité soit durable parce qu'on connaît la situation de cette zone sur le plan alimentaire cette année. C'est la catastrophe. Déficitaire. Déficitaire, pratiquement à plus de 50%. alors, même les parents, ils ne savent pas où mettre de la tête pour trouver à manger. Les trois loin d'être assurés. Je parle de même les deux là aujourd'hui, même à On, on, les deux. <laughs> Restons toujours euh, sur la situation sécuritaire. Le 20 décembre 2021, les forces françaises de l'opération Barkhane ont conduit une opération visant un chef de groupe de l'État islamique au Grand Sahara. Au cours de cette opération, en étroite collaboration avec les autorités nigériennes, la force Barkhane a neutralisé Soumana Boura. Soumana dirigeait un groupe de plusieurs dizaines de combattants actifs de l'EIGS dans la zone de Goubert-Gourou et de Firo dans l'ouest du Niger. Il était même considéré comme l'auteur de l'attaque de Kouré. Alors, euh, Ouseni quelle analyse après avoir suivi ce communiqué de l'état-major des armées françaises annonçant la mort du djihadiste Soumana eh, d'accord, ils ont tué un chef djihadiste. Les Français, depuis qu'ils sont là, c'est comme ça. Quand ils sont en difficulté quelque part, dans une zone, ils cherchent, on a tué le chef djihadiste, un tel. Est-ce que ça met fin aux attaques. Non, n'est-ce pas que ça ne met pas fin aux attaques Ça veut dire que le chef est parti, certainement dans le groupe. Il, Mais on a tué Ben Laden depuis quand Est-ce que ça a mis fin au terrorisme Ça a même pris de l'ampleur. Parce que l'état d'esprit, la mentalité de ces gens-là, tu sais qu'en allant sur le terrain, c'est pas évidemment que tu vas. Ça veut dire, que moi, c'est Jacques d'annonce là. Que euh, Barkhane a frappé un chef djihadiste. Alors, ça ne change pas la donne. Le problème reste entier. N'est-ce pas ils ont, dit, ont tué les machines dans la zone du Mali un peu. ça a changé quoi On compte le nombre de chefs djihadistes qu'ils ont tués. Est-ce que ça a changé grand-chose ça ne ramène pas la calmie. C'est du euh... quelle analyse après avoir appris la mort euh, de Soumane Boura, le chef djihadiste L'analyse, elle est toute simple, hein, madame. Mhm. Euh, on a vu euh, tous ces efforts déployés justement par cette force-là pour identifier d'abord le chef euh, de ce mouvement-là. Mhm. Ensuite, même si c'est conjointement avec nos forces de défense et de sécurité pour le neutraliser. C'est une très bonne chose mhm. euh, qu'on l'ait neutralisé, mais le problème reste entier. Cette mort de Souman Aboura aura-t-elle un impact important pour le commandement de l'État islamique au Grand Sahara euh, Un impact important, je dirais pas. Comme l'a dit Sidikou, mm. de toutes les manières, il y a toujours un lieutenant qui est là, qui va prendre la tête. Donc, euh, ni moins ni plus, euh, ça ne changera rien mm-hmm. au niveau donc, de ce mouvement. Ça va leur donner plutôt au contraire la force même de revenir, en tout cas, en force pour pouvoir encore s'attaquer à, à, à, nos paisibles citoyens. Les Donc les représailles, parce que ils vont pas, ils vont pas rester, ils vont pas rester comme ça, ils vont pas regarder Barkhane tuer un de leurs euh, patrons et puis s'asseoir, euh, regarder de loin ce qui se passe. Non, non, non, non, non, ils vont s'organiser. Ce mouvement va s'organiser. Et puis moi, ce qui me, ce qui m'a encore euh, un peu fait rire, c'est que c'est de 2020 à 2021, il a fallu un an pour pouvoir identifier, neutraliser un seul individu, s'il vous plaît. Un seul individu, un an. Donc, comme l'a dit, ça ne règle rien, ça ne résout rien. C'est juste un communiqué de plus. Il n'y a pas de différence avec les autres communiqués. Un an. Aujourd'hui, les parents, les familles, ils ont même oublié que, en fait, on vient de leur faire revivre encore cette situation, mm-hmm. les affecter encore par cette situation, par ce communiqué. S'il faut mettre donc un an, parce que tout simplement aujourd'hui en Afrique, quand on regarde au Niger, au Burkina, au Mali, les gens disent il faut vraiment le retrait de Barkhane. Maintenant, il faut amener cette situation de on vient de tuer. Oui, oui. La dernière fois, c'était Al-Sarawi. Mais, c'est dans quelles conditions mhm. C'est dans quelles conditions ce communiqué aussi d'Al-Sarawi a été tombé C'est dans quelles conditions ils ont fait apparaître ce communiqué mhm. C'est la même chose ils font apparaître ce communiqué pour dire que pour que les gens se ressaisissent, pour dire que ah Barkhane est en train de travailler. Ok, moi je ne vois pas ce en quoi ça peut changer. Ça ne changera rien. C'est la même chose qui va se poursuivre et ça va donner encore de la force à ce mouvement pour venir encore contre-attaquer. Nous passons à présent au troisième sujet du forum de la presse par une note en date du 14 décembre 2021. Le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a annoncé la suspension de la gratuité des accouchements assistés à compter du 31 décembre 2021. Le projet d'appui à la population et à la santé financé par la Banque mondiale pour faciliter l'accès aux services de santé aux femmes enceintes des bons d'accouchement sera en effet à terme à partir de ce 31 décembre. Les premières dépenses liées à à l'accouchement sont évalués à 6 500 francs. coup, euh, Ousmane, quel impact la suspension de la gratuité des accouchements assistés peut avoir euh, sur la population L'impact direct, madame, c'est vraiment euh, le coût financier dont les parents ou bien les ceux dont les femmes, les sœurs, les mhm. épouses seront dans cette situation, surtout quand on sait leur faible revenu. Moi, je me dis que les gens auraient dû être prévoyants, sachant l'échéance euh, de cette prise en charge par l'institution financière dont vous en avez fait cas. Mm. On aurait dû bien avant trouver les mécanismes pour que, à défaut qu'il y ait une diversification de partenaires, mm-hmm. ou bien pourquoi pas le même partenaire pour qu'il remplisse, l'État se doit vraiment de prendre les dispositions, ne serait-ce qu'en prenant, euh, même si c'est de moitié, le coût euh, de cette gratuité. Parce qu'aujourd'hui, euh, franchement, cette gratuité a beaucoup sauvé ou bien a beaucoup contribué à ce que les accouchements se fassent dans ces zones citées. Maintenant, avec cette gratuité qui bientôt sera terminée, ce serait vraiment un coup dur euh, quand on sait le faible revenu euh, de ces hôpitaux-là. On ne peut que prier mhm. pour que d'ici là, des mécanismes soient euh, mis en œuvre. Mhm. qui reviennent surtout à l'État, même si c'est de prendre cette prise en charge-là de moitié, pour soulager euh, ces populations, non seulement qui paient un lourd tribut du fait de la situation sécuritaire, mais aussi euh, de l'autre côté, euh, le côté surtout alimentaire. Aujourd'hui, à l'issue de la saison pluvieuse, mhm. vraiment le déficit, c'est un peu sur toute l'étendue du territoire. Donc, mhm. vraiment, assister à cette suspension, c'est comme si on ne fait que renforcer le couteau dans leur prêt, surtout quant à leur vécu quotidien. On ne peut qu'espérer d'ici là, avant qu'il n'arrive réellement à terme, que des dispositions ou bien des solutions idoines soient trouver au grand bonheur de ces femmes surtout euh, qui, du mieux qu'elles peuvent, essaient de donner euh, des vies. Mhm. Donc euh, vivement qu'une solution soit trouvée mhm. avant que cette gratuité soit à terme. moi, pour moi, quand j'ai entendu l'annonce, le communiqué, je me suis posé beaucoup de questions. Mhm. Je me suis d'abord posé la question de savoir où on en est avec la gratuité instituée depuis 15 On m'a fait comprendre que bon, ça ne concerne pas les accouchements assistés mais qui a un fond. Mhm. Oui, c'est comme ça, on m'a expliqué, mhm. on parle de ces et autres, et autres là. J'ai dit, bon, mais ben, alors, ça va poser problème, surtout dans les zones euh, où les centres de santé ne sont pas euh, équipés. Euh, les gens vont rester à la maison à coucher, n'est-ce pas Parce que ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, dans des zones où les gens n'ont plus rien, qu'est-ce qui va se passer Si par chance, il y a une matrone dans le village, on va assister à cette situation-là. Et ça dénote d'un ça, ça dénote fait. Mhm. Ça dénote d'un fait que le budget alloué à la santé, c'est-à-dire le bruit, on fait du bruit, mais en réalité, ce qu'on alloue à ces secteurs-là, c'est quelque part insignifiant. S'il faut chaque fois attendre que des partenaires viennent en appui pour mhm. pouvoir faire fonctionner certains certaines prestations, mhm. certaines prestations, moi j'ai dit quelque part, l'État a failli. L'État est en train de faillir. On vient, on va. Alors tout ça là, pendant combien d'années, c'est des gens qui sont derrière. À partir du moment où l'argent euh, finit, l'État se désengage. N'est-ce pas C'est à ça qu'on va assister. À partir du 31 décembre. chacun n'a qu'à se chercher. Mhm. N'est-ce pas <laughs> Les conséquences aussi sont là. Les décès liés aux accouchements, oui, bien sûr. Tout ça là. C'est des problèmes qui vont faire flamber, je ne le souhaite pas, comme avait dit, les décès liés aux Mais Moungado, quel autre impact la suspension de la gratuité euh, des accouchements assistés peut avoir euh, sur la population je rejoins ce qu'il vient de dire. Mm. C'est vraiment que c'est aberrant. En mm-hmm. tout cas, euh, qu'on laisse cette situation que des techniciens savent déjà normalement euh, quelle année doivent finir ces, prestations, le mhm. projet. Mais ils ont laissé jusqu'au 31 décembre de cette année. l'annonce a été faite il y a quelques jours de cela. Mhm. Donc ça a surpris plus d'un mhm. Nigérien parce qu'aujourd'hui, même que ce soit les <laughs> accouchements par voie basse, césarienne, voie basse, déjà, Déjà, même les, accouchements par voie basse, c'est un problème. Fatih, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ne veulent même pas aller dans une maternité accoucher, qui préfèrent rester là-bas avec une matrone accoucher. Parce que là-bas aussi, quand tu pars, tu accouches. Mhm. Avant même que tu accouches, d'abord, il y a les problèmes d'accueil. Il y a des problèmes d'accueil. La femme n'est pas en sécurité. Elle n'est pas, elle n'a pas une confiance à ces femmes aujourd'hui qui sont là-bas, qui peuvent lui donner euh, la faire accoucher. Mhm. Donc, il y a également les prestations, il y a également les médicaments que tu dois acheter et tout. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un recul pour le Niger. Et on doit à des accouchements à domicile. À domicile, mais c'est ça, surtout en campagne. Surtout, surtout mhm. en campagne. Il y a les infections, il y a tout aujourd'hui. Il y a des risques aujourd'hui de faire augmenter euh, les décès par voie, euh, les décès néonatales. C'est ça, en fait. C'est le risque que ça peut comporter. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Ousseini un État ne peut pas attendre à ce qu'il y ait des subventions au niveau donc, des partenaires. La moindre des choses, le minimum que l'État peut faire, mhm. c'est vraiment mettre à la disposition de ces femmes-là le peu. Le peu, c'est quoi Prendre une grossesse, terminer cette grossesse à terme mhm. sans problème <coughs> ni difficulté mhm. et accoucher dans les très bonnes conditions. C'est tout ce que ces populations-là demandent, en tout cas ces femmes-là mhm. qui sont en campagne ou en ville, demandent à l'État. C'est ça. Aujourd'hui, deux repas, tu ne peux pas le faire. Euh, euh, Ousaini, est-ce que aujourd'hui cette femme-là ou le mari-là a des problèmes 500. Euh, oui, oui, 6500 pour les prestations en ville même 6500 là débourser 6500 c'est un problème en campagne où est-ce que tu vas aller demander un 6500 à une femme ou bien un monsieur qui doit donner pour que sa femme puisse accoucher c'est très très très mm-hmm. très sensible cette question là il faut que les autorités reviennent pour trouver des solutions mm-hmm. à cette situation on a entendu ça prendra fin le 31 décembre. Donc, à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, on aimerait encore voir le ministre de la Santé devant nous, devant nos petits écrans, pour nous dire que cette situation, ils ont trouvé une solution à ça. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous étions en compagnie de Sidou Kousmana, journaliste indépendante. Maimouna journaliste indépendante, et Ousseinia euh, Issa, journaliste indépendant également. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation était assurée par Fatih et Zakari, la réalisation Issa Lawali et la technique Isaka Ayouba. Merci donc à nos auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Le programme continue sous le studio et rendez-vous euh, le samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15 le samedi, le forum en Hausa et le dimanche à la même heure, le forum en Germain. Merci, au revoir.